auditeurs et auditrices, vous qui êtes branchés sur l'émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires. Bonjour, merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés, Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va très bien Salamotou, merci. Faisons un petit coucou à ceux qui assirent de l'autre côté de la vitre du studio A à la technique, c'est Amina Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Alors, Salamotou, au Aujourd'hui, Mariam, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs auditeurs et auditrices au programme de la musique 100% nigérienne, du loti, de la culture linguistique, la page sport et bien sûr le flash d'information. Ce matin, c'est la moto. Nous suivrons aussi un entretien avec Mohamed Gado, créateur d'une troupe théâtrale, musicale et culturelle dénommée Amanara, créée depuis 2002. Chers auditeurs, Asmana China est avec nous pour le flash d'information. Bonjour China. Bonjour Mariam, bonjour Salamatou. Bonjour, Bonjour à tous. À Tawa, le gouverneur de la région, colonel-major Oumarou Tawaye, a présidé hier une réunion extraordinaire du comité technique régional de gestion des inondations. Le bilan de ces inondations au titre de la région fait ressortir à la date du 7 octobre 2024 31 523 ménages atteints, soit 214 580 personnes sinistrées, 23 523 maisons effondrées. Il est également enregistré 104 décès, 81 blessés, 10 028 petits et gros ruminants perdus et 154 hectares de terres de culture inondées. Concernant la situation au niveau de l'éducation, à la date du 11 octobre 2024, il a été recensé 291 classes effondrées, 274 classes occupées, mais à la date du 13 octobre, seules 44 classes sont occupées, dont 43 à Abalak et une à Ilela. Pour faire face à l'effondrement et à l'occupation des classes, le comité entend mettre à la disposition des élèves des bâches, en plus de la réparation des latrines et de la désinfection des classes. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales qui aura lieu le 17 octobre prochain à Gorukena, un village environnant de Niamey, une exposition vente des produits fabriqués ou transformés par les femmes nigériennes a été lancée hier au palais du 29 juillet par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi. Des produits artisanaux textiles agricoles transformés seront exposés et vendus durant trois jours sur le site. Ils sont les fruits du travail acharné, mais aussi d'une vision, celle d'une femme qui, malgré les obstacles, voit les opportunités pour construire un avenir meilleur. Cette foire est également l'occasion de célébrer la capacité d'innovation et l'adaptation des femmes nigériennes. Le groupe de la Banque mondiale a, dans un communiqué de presse publié hier, noté que l'activité régionale en Afrique subsaharienne devrait croître de 3% cette année contre 2,4% en 2023. Cette croissance explique que le rapport économique trimestriel de cette institution financière internationale est dû principalement grâce à la hausse de la consommation et de l'investissement privé et que l'inflation devrait s'atténuer pour passer de 7,1% en 2023 à 4,8% cette année, sous l'effet des politiques monétaires et budgétaires plus strictes de la stabilisation des devises et d'une diminution des perturbations d'approvisionnement. Cette reprise est toutefois insuffisante pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. La croissance du PIB par habitant reste à à 0,5% seulement en 2024 contre une moyenne de 2,4% sur la période 2000-2014. Les conflits, le changement climatique et l'explosion des coûts de services de la dette sont autant. Les gouvernements africains progressent dans leurs efforts de stabilisation des finances et de réduction des déficits budgétaires, souligne Andrew Dabalen, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Mais le lourd fardeau de la dette limite leur investissement dans les secteurs cruciaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures qui sont essentielles pour une croissance inclusive à long terme. C'est la fin de ces flashs d'informations. Merci China pour toutes ces informations, chers auditeurs. Nous suivrons un entretien avec Mohamed 10 euros, créateur d'une troupe théâtrale, théâtrale, musicale et culturelle dénommée Anamar, créée depuis 2002. Avant de donner la parole à nous, vous proposons d'écouter avec nous cette chanson de l'artiste Maman Sanimati qui nous chante Masutehia, une façon de permettre à nos éditeurs de bien s'installer. Top, c'est parti. c'était qui vient du nom d'un de ses titres phares bien connus des mélomanes nigériens. Moula s'est lancé dans la musique en 1997 en collaboration avec un groupe d'amis. Ils ont fondé les groupes de rap Mazan l'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Niger dans les années 90. Depuis 2005, il évolue en solo dans un style traduit moderne conciliant les instruments issus de ces deux mondes, notamment le gourmi, le kalangu, le ganga et le gara il maîtrise plusieurs langues locales et s'intéresse à tout ce qui touche là à la tradition nigérienne. Avec plus de deux décennies d'expérience, il a été sollicité pour enseigner la musique au département Arts et Culture de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. après cette pause musicale, chers auditeurs, de la première partie de notre entretien, Mohamed Gado, créateur d'une troupe théâtrale turoserie nous présente leur troupe théâtrale musicale et culturelle dénommée Amanara. Il est au micro de Hamed Fellan. wannan turubkin ta jima da aka kirkira ta turub amanar ta birnin cirozirin tun 2002 a dakwaita mun yi zuwa dane festival da aka yi a dusu an 2003 mun yi participe kuma le different euh, semen a plaisanterie da aka yi mun yi participe kuma hannun cipiri a cikin shi kamar nan cikin jihar garisa abubuwa da yawa activity wanda ya shafi magabata na iko muna cikin su muna kawo gudunmawa na waye kai duk abubuwan da ka sani na sallah wanda ya kamata a yi to muna participe gare su muna kawo gudunmawa yani kuke yi kuna kama kuna shirya wasannin na wasanni ka san turufu tana da aktar kinta aktarorin yau in ka diba ka gani wanda muka fara da su wa'ansu har aiki eh, sun zan ajan su nishar muna yi da su kuma yau mun samu releve wadda ta kama wanda kowane lokaci in ka diba yanzu a cikin program kinmu cikin sati muke yi su uku muke yi kredi samdi dimanshi muke repetition mu zo mu yi bisa temkin da adda kwai na zamani kun ga temkin yanzu muna bisa eh, kwanciyar hankali muna bisa zamantakewa muna bisa haraka ta tsabta da muhalli kuma sa'annan muna bisa ayyuka daban-daban da cututtuka daban-daban muna waye mutane yanzu muna so mu sani kama akwai concert wanda evenement wanda kuke samu dan a sanda group kin muna da evenement da dama partner kin mu dai na fara na ga muku eta ne meri ce eh, banda meri kuma sai partner da ke zawa in suna da activity eh, a gayyace mu zo akwai eh, direction ta mu ta RA culture ita ma ta san da mu in akwai abu wanda bariki ta tambo sai ta ga mana mu zo mi in akwai wani forum in akwai wani eh, kirsale in akwai wata festival de lair ko kuma wani taro wanda ya kamata a yi a waye mutane kai sai a kira mu zo mu yanzu ne gurin ku a gaban ga gurin mu wanga shine babban guri ma wanda muka sa kai saboda muna so mu kawo gudunmawar mu a cikin development na community mu saboda me yasa muka ce za mu kawo eh, development na cikin community mu saboda mun ga magabatan namu surtout administrator lege na community urban kinchiro zarin ga shan kokarin da muka ga yana yi to muka ce ba mu bar shaka nan ba turubu ta kamata ka mun shi gudunmawa na musamman inda za ta accompany wajen yin shi za ta taimaka mishi bisa waye ma mutane kai paske ya yi tsaye bisa tsayin daka da cewa gari yake so gyara kuma gari sai da muhalli mai kyau wannan zamu waye ma mutane kai bisa abin haraka ta tsabta bisa haraka ta gwalalo bisa haraka ta shara bisa haraka ta sake ruwa kowane lokaci saboda akwai cututtuka da dama wanda in ka diba yanzu a kasar mu ta Nijar su tunan eh radio message da ya iso ga gamayya wanda aka ce dis chaque dimanche ta darne muwa yi activity na na shara a diba inda ya kamata a gyara to wannan zamu kawo gudunmawa da mu waye ma mutane kai unguwa unguwa zuwa unguwa kuma wani irin matsaloli ne kuke gama da tare da eh, turbikin taku matsaloli ka san ba karewa ba suke saboda in ka ce ba matsaloli to kamar ka wasa kanka saboda shi abinda addakwai in kan kanka to dole za ka gani matsaloli sun rage maka saboda ba mu iya cewa ba mu da matsala ko guda mai muna da ita mai kamar za mu aiki da abin da abin da ke gare mu saboda ba mu iya cewa ala cilas sai abin da muka so sai mu yi shi zai ka gani in muka ce sai mu yi shi kenan za mu shiga cikin wani tsamar to haka nan muke tahiya a bakle mu kwanna in yanzu repetition muke in ruwa ma muka samu muka aje muna sha to kaga wata rana kuma sai kaga an ji daɗi an sha an yi abin da ake so kuma ka gani kenan bukata ta biya yanzu wani kira gare ku ga al'ummar zirin domin su ba wanga aikin da kuke muhimmanci hanci ka san in ka diba artist kamar irin wanga ma na tiyatar da na wanga rawa na zamani abu ne wanda yake yana da fa'ida saboda har minister adda ko wanda ke kula da irin wanga abu kenan kaga ba abun banza bane abu guda ne wanda muke so mutane su kawo mana goyon baya a lokacin da in muka zo zamu waye ma mutane kai su saurari abin da muke gaya musu saboda kamar malam ne in yana wa'azi kar ka yi aiki da abin da malam ka yi aiki da wa'azin da yake gaya maka to mu aikin mu yanzu wanda zamu wanda zamu kawowa a cikin kwamitin tamu na waye kai ne waye kai mu sa mutane su zan sun samu zaman lahiya waye kai mu zaman mutane sun samu zamantakewa wanga ya zauna da dan uwan shi wanga ya gane dan uwan shi ne wanga ya gane eh, zuwa wajen wannan yana da fa'ida kuma basa tsabta nagari surtu mu abin da muke so bananga mu kawo gudunmawa mutane su sai amince mana basa haraka ta sensibilization ta tsabta kenan in aka yi kaga garin mu zamu ci ciro ta fi kowace komini yanzu muna so mu sani menene amanar amanar in ka ji shi ai halshen buzanci ne da tamaja abin da ake cewa amana wani mu ne wanda ke fitowa da subahi zaka ganin shi haske ke gare shi shine ake cewa amanar kenan mu ma haskan ne muke so mu kawo cikin al'umma hasken ne muke so mu kawo cikin community mu hasken ne muke so mu kawo cikin department mu cikin region mu cikin kasan mu saboda kowane lokaci duk abin da zamu zauwa mu waye mu mutane kai kina ya zama na haske da haka nan muka dauki wannan suna na amana wannan tarmamun da kake gani shi kadai ne zaka gani da su ba ya fito kuma yana da haske ka ji wadda amanar kin yake yanzu kamar wannan turupkin da ku kamar ta shekara nawa da karkirawa in nace maka 2000 shekara 22 ke gare ta 2000 maka kafa ta 2000 kuma mun yi aiki da organization da dama har su inisaf mun yi aiki da su su mun yi aiki da eh, proje na initiative jan wanda ya yi aiki na wurin proje da dama mun yi aiki da su na sida mun yi kenan kaga yau shekara 22 ba yau bane in ka diba prima nawa muka kawo nan garin da yawa muka kawo ko matasa nawa ke gari nan ga dai yanzu in ka diba turbikin tamu ta kai mutum goma sha biyar har da ni a responsible kin tunda in ka diba kwamfani ce muka yi akwai kote na eh, rawa ta zamani akwai kote na tiyatar sannan akwai kote na mata wanda ni ke kwardo nan duka turbikin gaba daya C'était là la première partie de notre entretien. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons souffler en musique avec ce son duo chanté par le groupe Toubal de Dossou. matama amma ki sajiyo kan go saji amani mai ra amma ki gai kai tare fai mara gai jiyo ngadi an ko kabiri na baraga Jinda kuku je kuku koyo, topa Gandio, chers auditeurs, qui veut dire tout simplement la girafe en germain, et c'est le titre de ce magnifique morceau de l'orchestre Tobal de Dosso que vous êtes en train de savourer. Une chanson qui décrit la beauté des girafes qu'on retrouve généralement dans cette région, plus précisément dans la commune rurale de Kouré, mais aussi dans la réserve de Gadebéji, dans la région de Maradi.

Bye. ce kalai

Voilà, chers auditeurs, c'était la toubelle de Dosso. La deuxième partie de notre entretien, Mohamed Gado met l'action sur le fonctionnement de la troupe et lance un appel aux jeunes à plus de vigilance pour la bonne marche de la troupe. Toujours au micro de Ahmed Félan. wannan 'yan matan kamar ya hulda ku ta kai da uwayen nasu ba 'yan um, matan ba kaɗai ko mazan da ke cika sai da muka je muka gama ma uwayensu saboda ki mu malamai ne kuma malaman waye kai ne muke yi kenan an katta waye kai kai da kanka ka zara responsible ta kwana sa'annan za ka waye mutane kai sai da muka je muka shaida ma uwayensu ga abin da zamu ga abin da ya kamata mu in sun amince yaran mu aiki tare da su ba su amince ba sai mu bar yaran amma duk yariyar da ka gani nan ko yaran da ka gani nan sai da muka je ga uwayensu suka ba mu menene ba karfin giwa kake zama cikin gurbin kana shirya firgewa guda ne saboda akwai lada cikin aikin da muke yi saboda menene na ce maka akwai lada waye kai muna hana abubuwa da yawa wanda za su zama na bisa tashin hankali ne saboda muna iya waye ma mutum ka yau in kana cikin jahilci wannan turbikin ta iya kawo tiyatar ta yi tiyatar kin da za ta sa ka nishaɗi ka yi dariya kuma ka gane wanga abin da kake yi can ba daidai bane ga hanyar da ta kamata game da wannan tiyatar kin paske tiyatar kin da muke yi har tiyatar forum muke yi tiyatar forum menene ake cewa tiyatar forum wani fanni ne na zamani yanzu wanda in ka zo kana waye kai tare da yan kallo za ka yin shi abin da yan kallo suke ce maka nan za ka tabbatar da eh wannan abin da message ka ya wuce ya je gare su sun gane abin da suke nufi sa ta. zero mun san da yaran ka na fara sun girma eh, sun kama ayyukan gaban su wa'anga sabbi ne wani irin matsaloli kake samu tare da to ka san yanzu yara wanga na zamani sai a hankali abu guda ɗaya ne muke gaya musu dai tahiya ba ta sai da ladabi a kowane lokaci kiran da muke a cikin turbukin a sa ladabi in dai akwai ladabi to komai ya ta tun tunda generation daban-daban ne mu yanzu wanga yaran abubuwan da suke yi ba mu iya shi mai amma muna kadiran su dan su komo bisa hanya ta turba paske menene hanyar turba ba wadda take da kyau sun da su waye ma mutane kai suke kenan ba ɗaya bane da sauran yara na gari kenan hankalin su ya komo da cewa su kamar malamai ne suke tunda malamai su ne ke sa hanya ka bi hanya ta gari ka bi hanya sak ba goce goce to ka ji abin da yasa muke ce musu kowane lokaci a sa ladabi kuma da biyayya ladabi sai da biyayya kuma surtu eh, biyayya ga magabatan mu ga ikon namu sa'annan wanda muke waye kai sa'annan tabbatar da iya abin da muke gaskiya ne ji wannan hayoyi kuke bi domin mutane su san da wagga turbikin taku ta hayya kamar rezo ne ko kuma ta hayya radio ka ne ko koya kuke eh babban zance ai ka kare zance yo yanzu kai ai ta gare ka yanzu wanga tambayoyin da kake mini a matsayin ka na yan jarida na radio azuru ta nan ma yau turubcin ga kowa za sanin ta saboda abu ne wanda za a taya nesa kenan sai mu ce dadin mu ma babban jin daɗin mu yau muna da radio wadda yan jarida wanda za a kai mana labari nesa kenan sai mu ce muna godiya wanga kadai ya isa in nace zan nema ta rezo siyo kamar ban yi adalci ba ta radiyon ga da kake mini magana to ta nan za a sanin mu ta nan ne duk wanda za a neman mu ta nan za ko ta gare ka aka kire ka aka ce a kin nan da muka ji kai magana da ita muna son gamuwa da ita kai za ka zo ka ce mana a wani wani sun kire ni kenan kaga labari ya ta kenan ta gare ka kuma mutane aiki da wakokin zamani ne ko kuma kuna gargajiya ne yawa zance mai daɗi ma wanda ya kasance yanzu in kaga ta yatta mu banda waye kai na tiyatar da muke yi to akwai rawa ta zamani wadda kuma zamani wanda yake cikin kamar muzika na, na bugashe yanzu wanda ake da da zamanin canga su ne yara ke rawa kaga yanzu kama irin wanga mizika na soga irin wanga mizika na wayi wanda sauran sauransu da da sauran suware da suke da shumar wanga da ake shine rawar su ake kenan kaga ba a fita ba cikin kiltirkin mu muna nan cikin kiltirkin mu suna sauraron kiltirkin kuma za mu waye musu kai cikin kiltir ya ne kuke yi idan kuna son ku shirya wata taro ko kuma wata suware an za mu shirya taro akwai sallah wanda ya kasance ta bariki ce in aka kire mu an tanka responsible na kungiyar ta yan wasa sai mu je tantabana da su su ga mana yaushe za a yi wasan kuma wani irin tam ne za su ba mu mi sensibilisation ne in kuma wani kira kira a gare sai mu shirya mu sketcher wanda ya kamata bisa kiran da suka mana ba zancen coordination ne eh, mu da kanmu ne muna da organization kin paske akwai tsarin da muke wanda yake tsakaninmu ne muke yin shi wani lokaci muna da masu dan hali wanda muke zuwa gare su mu ce musu muna bukata eh, abin da za mu yi wasanni wani ya ce ya ba mu kujeru wani ya ce ya ba mu kaza na ruwa wani ya ce ga abin da ya dokan mana shar wani ya ce in kuka ida ku zo duka wannan abubuwan kamar maye mayan mutane suna mana su wannan kuma wani yana jin daɗin waye kan da muke yi shi ma sai ya kire mai nama alheri to da ne muke shirya irin wannan wasanni ko kuma in bariki ta kire mu to sai ta ce ta fidda mana wani wata sama daban wadda za mu jagorancin wasa wannan kenan wannan shi ne muke diba sai mu diba mu gani artist duk abin da ya kamata kowa a bashi don ya ji daɗin wasa yayi wasan kuma in ya ta gida ya samu abin da za a samu ya sai sabunin shi ya sai shayin shi eh, ya shiga harkokin shi yanzu wani kira gare ko ga hukumomi ko kuma kungiyoyi masu taimaka ma wannan to mu dai kasuwa ce kasuwa ta mu abu ne muke yi wanda ya shafi kowa in kai entrepreneur ne muna iya waye maka kai bisa wannan abubuwan in kai in ku bariki ne bariki tana da kullun abin da ya kamata ta je ga al'umma ta waye musu kai tun da lokaci ya zo wanda ya kamata mutane a waye musu kai kuma in partner ne kowane partner yana da linkin shi wanda ya kamata ya bi ta bisa aikin da yake na waye kai ko kuma na sensibilisation ko kuma na bada labari duk wannan abubuwan muna yi gare shi to mu muna nan kuma nan muke a cikin ciro a cikin ciro duk lokacin da ka bukace mu da ka Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et nous allons parler santé. En effet, cela la, la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi nous parle de la crise d'épilepsie chez les enfants. La crise d'épilepsie se caractérise par une perturbation de l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau, provoquant des convulsions. Pour en savoir plus sur cette pathologie, je vous propose de suivre Dr Fatimata Hassan jubo médecin-chef du service neurologique de l'hôpital La Moire. Il est interrogé par Oumou Oumoru. Écoutons. L'épilepsie, euh, c'est une euh, maladie chronique qui se caractérise par la prédisposition d'un patient à faire des crises répétitives. Ça, c'est la définition de la maladie. La crise en tant que telle est définie par une décharge électrique hypersynchrone d'une population de neurones qui peut se caractériser par des manifestations motrices, sensitives, sensorielles motrice et ou psychique, végétative aussi. Hein. Quelles sont les causes de cette maladie chez les enfants Les causes de euh, cette maladie euh, chez les enfants, elles sont nombreuses. Elles peuvent être d'origine génétique, c'est-à-dire que c'est une crise qui est due à des gènes de la famille et les causes peuvent être, par exemple, euh, infectieuses. Elles peuvent être dues à l'hypoxie, à l'accouchement. Quand un enfant naît et qu'il ne pleure pas, ça c'est une cause très fréquente de crise et surtout actuellement dans notre pays. Parce que quand un enfant il vient au monde normalement, il doit faire le premier cri. C'est ce premier cri qui va oxygéner le cerveau. Il se trouve actuellement, on est confronté beaucoup à ce problème. Dans les villages reculés, même souvent dans les grandes villes. Donc c'est une, une, cause aussi très fréquente. Il y a les causes métaboliques. Ça veut dire les maladies métaboliques peuvent être une cause il y a les causes traumatiques. Quand un enfant fait un accident, il peut développer une crise. Une moto renverse l'enfant, tout ça. Là. Ça aussi, c'est une cause. Les causes, elles sont très nombreuses. Quand un enfant est drépanocytaire, il peut développer l'épilepsie. Donc, il y a vraiment plusieurs causes. Comment se fait la prise en charge de cette maladie chez les enfants La prise en charge de cette maladie chez les enfants, elle est pluridisciplinaire, hein, ce n'est pas que les neurologues. Pourquoi je dis ça Souvent, les généralistes sont les premiers à voir ces patients. Après, ils passent dans les mains des pédiatres. Mais actuellement, comme il y a, nous sommes une dizaine de neurologues, on les reçoit, mais très rarement on les reçoit en première position. Donc la prise en charge, pour dire qu'elle est pluridisciplinaire, et à la rééducation aussi, fonctionnelle. Donc ça, ce sont ces volets y a la prise en charge médicamenteuse, il y a la rééducation. Il y a aussi euh, de la prise en charge, il y a la chirurgie, il y a certains cas d'épilepsie qu'on opère, bien que c'est 30% des épilepsies euh, qui ont une lésion symptomatique. Un enfant qui a toute cette maladie peut guérir Bien sûr que oui, un enfant peut guérir totalement de l'épilepsie, parce que ça dépend de la cause de l'épilepsie. J'aimerais mentionner aussi, hein, parmi les causes infectieuses, n'oubliez pas le palu. Hein. Le paludisme, c'est une cause très fréquente d'épilepsie parce que les, enfants qui font le neuropalie, ils finissent par rester épileptiques. Donc, c'est une cause, hein, l'épilepsie. Quand il y a une lésion cérébrale qui est dans le cerveau, c'est là où c'est très difficile à gérer. C'est ça qu'on appelle l'épilepsie focale ou symptomatique. Mais quand c'est une épilepsie généralisée, idiopathique, qui n'a pas de lésion cérébrale, ce n'est pas compliqué. Il peut rester libre de ses crises complètement. Parfois, après 5 à 6 ans de traitement, le patient peut être libre d'être. Le patient peut guérir complètement, oublier même qu'il a fait une crise dans la vie. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire à santé. que nous allons une fois de plus à déguster de la musique et cette fois-ci, je vous propose les titres de Lilin Sabo, une collaboration entre Mousseyaro et Momi Niger, sorti en octobre 2024. wa za ya manta dalilinsa c'était Moussa et Momi Niger. Pour le coup des régions, nous irons dans l'air. La population d'Agadez a célébré dimanche 22 septembre 2024 la fête d'Itandé, l'une des plus grandes fêtes traditionnelles de la région après le piano qui marque la commémoration de la semaine du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Plusieurs activités ont été organisées au cours de ces grands rendez-vous culturels. Notre correspondant Moussa Maman nous fait découvrir les moments forts de l'événement dans ce reportage. C'est à travers des lectures du Saint-Coran, des invocations et des prières dans la mosquée historique du Tendé que débute la cérémonie. Le Tendé, c'est une des fêtes traditionnelles des populations d'Agadez qui se tient chaque année une semaine après le Mouloud, marquant la commémoration du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, explique l'honorable Omarou Ibrahim Omarou, sultan de l'Aïe. Nous nous trouvons aujourd'hui à la grande mosquée de Tendé pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, une célébration qui marque le septième jour. Toute la population d'Agadez a observé ces sept jours de prières et d'évocation accompagnées de la lecture du Saint-Coran. Ces prières sont adressées pour le bien-être du pays, du peuple et des autorités afin que règne la paix et une bonne gouvernance. Pour le gouverneur de la région, le général des brigades Ibra Boulama Issa, cette fête du Tendé, c'est aussi une occasion pour les oulémas et les autorités de la région de prier pour le pays afin que la paix et la quiétude s'installent. Nous avons profité de cette occasion également pour euh, implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il continue à descendre sa clémence et sa miséricorde sur notre pays, le Niger, euh, qu'il bénisse euh, le Niger, son peuple et ses dirigeants, qu'il préserve notre pays, le Niger, contre toutes les forces du mal et qu'il continue à préserver nos forces de défense et de sécurité qui, jour et nuit, continuent à se battre pour la défense euh, de l'intégrité de notre territoire. C'est ce qu'il faut donner comme signification à la rencontre de ce matin la La cérémonie a pris fin avec le tour du sultan de l'Aïr et de sa cour dans la vieille ville et dans des endroits historiques, un signe de reconnaissance à la population d'Agadez. Voilà, chers auditeurs, c'était le reportage de Moussa Maman. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Mouriam. Bonjour Adam. Alors Adam, nous débutons cette page du sport avec un mot sur le sport roi du Niger. Eh bien, la lutte traditionnelle revient avec la Coupe RTN 2024 qui se tiendra du 17 au 20 octobre à Tawa. 16 lutteurs ici de toutes les régions du pays sont prêts à tout donner pour remporter le titre tant convoité. Voici la liste des combattants par région. Adam, on commence avec la région d'Agadez. Nazifi Adamou, Almayaou Mahamadou. La cité de Jarmokoy Dosso. Aliseni Souraji Tahirou. Dans la région de Difa. Mansour Issa Nazifi Ibrahim. La région de Maradi. Idimati Chebou Argi. Niami. Abba Ibrahim Abdurachid, Chago. La région de Tawa. Nourou Hassan Salam Soumela. Tilabiri. Hafizou Hassan Salha Maman. Et enfin, la région de Zander. Rabiou Abdou Kankura et Murtala Salha. Voici la liste des lutteurs attendus au cours de ce tournoi, dont deux par région. Après la lutte Adam, parlons foot avec le MENA National A qui discutera son quatrième match ce soir à 17h contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Après sa troisième sortie ratée contre le même adversaire, le MENA joue sa dernière carte pour espérer revenir dans la course à la calife pour la Cannes Maroc 2025. Et pour rappel, le MENA a perdu son match aller 2 buts à 0. Le Niger est donc condamné à battre cette équipe angolaise qui est leader du groupe. Parlons aussi de l'équipe nationale du Nigeria qui devrait affronter la Libye ce mardi 15 octobre. Un événement malheureux qui a inondé la toile est intervenu au cours de cette quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Les Super Eagles du Nigeria ont quitté la Libye, boycottant le match entre les deux nations prévu ce mardi 15 octobre. En effet, l'avion transportant les joueurs nigériens en direction de la capitale libyenne a été orienté sur un autre sur un autre aéroport quasi désert où les joueurs nigériens et leur staff ont été retenus pendant plusieurs heures dans des conditions inquiétantes. La CAF a déjà ouvert une enquête afin de bannir ce genre de, de manœuvre qui tâche l'image du football africain et qui viole les statuts et règlements de la CAF. Adam, à l'occasion de cette quatrième journée, plusieurs équipes se sont déjà qualifiées, n'est-ce pas Trois équipes se sont qualifiées. Il s'agit tout d'abord des étalons du Burkina Faso, premier première équipe qualifiée, ensuite l'Algérie et le Maroc, pays organisateur qui est d'ores et déjà qualifié. A noter qu'au cours de cette euh, journée, d'autres équipes peuvent également se qualifier en cas de victoire. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce mardi 15 octobre à demain avec un autre numéro. Merci beaucoup Adam, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 41 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Mariam, tu nous présentes qui ce matin Salamout, il s'appelle Assoumana Ali, natif du village de Sakerepel de la commune de Liboré dans le département de Kolo, région de Tilaberi. Connu sous les sobriquets de Rugamanu, il a été choisi leader des éleveurs de son village en 2019 un titre très respecté dans la tradition Pella. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre suivant son portrait. rugga sumana ali inditiraɗo rugga man woni woddana duuɓi lasoji ɗiɗi e jeɗɗi o juɗɗo ɓaleejo o doni no ruggajo no sekire fulɓe wuro jiyango nder commune mo libore département mo kolo o mela kena rugga ngako nder wuro ngo ilu e nder hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi to o lomtoye abbi ko latinoɗo kan wonno ruggajo wuro ngon amma gam batte allah e mangu o wattama nokkumu rugga ali oni fammini nimɓe noyi soɓora e e laataɗe ruggajo nder wuro muɗum gori man e le 2019 6 mois le 20 kamɓe fulɓe kawri adi deki ɗumanen o dow a himɓe kam muuyi ɗum ki lelle no haandi wuro mum en ngo en nan tawa ɓe keɓi mo ɓe gatti yeeso gam dottijo amin woni ɗon en nan o nayi wigan o huɓɓu duuɓi lasoji nayi o noddi himɓe wuro gon o wi wallahi mi yanani jon wallahi mi naywi nayejo du wala sembe wawtaja haale ƴeewe moye bawton hoƴude min gaɗi reniyoji ɗiɗi jahoji tati sa yimɓe wuuro ngo gi to wallahi jonga dottijo golle ɗe gaɗɗa ɗe min jawakiɗe min kafakiɗe sabbu ɗum ɗon le ɓadema ɗo ni ƴewantamin le sukaɓe ma mo hennono ɗon dane kani ɓe jooɗi ɓe cappi honduɓe gui donc min ni ɓe bawta deki ɗum dow muɗum e nder hunde fuu misali fina tawaji e aadaji fulɓe caɗaale keppata fuu du misali nde koƴi dow filla gurti kamɓe jondeji hakkunde durooɓe e remooɓe kamɓe nokkuuje durreteeɗe amma ba ko noon da rugga manu o no heɓana caɗaale kewɗe mosola wakkati warde wakkati minen kam min giɗa nana hunde fuko ummi ta ɓe kumpitimin no wodi minen du ɓe min jata min nodditiro tefata kollamin laabi ɗiye min kande min tokka komin ɓurto he masalaga wakkati fuu jomniguji en gurti en yardalo en ɗiɗo fuu no goodi masala ga le leydi amin libor ɗo anna min godanana gurti tati mawɗi fa yetti e bari gurti tati ɗin fuu gotol ɓe acci gurtol gotol gol du kilo goto ɓe gigol ummoto malaley e hoɗa mere no ɗon enna latina ɗon nayi ittanano illu jamanu joribum bo jon hande yayre den himɓe no duruwa say ittan he junggo jawdeji ta jawdi din ɗum hande leñi fuu no godi jawdi mi miili wala hande commune mo wala luumo saji ko no walla gomnati nden ka miɗen giɗi tawa hakke kujeji amin gonɗi ley komin on fuu tawa min kewtiɗi maygari buube oni no jowrojo sekire wuro fulɓe no ima yetta sanne e golle ɗe rugamani wonno waɗa nder wuro makko e du konda fahande no kamɓe makko ngoni no gollida kika ɗum min kan yande ruggajo o gattumi o wallahi o walli kan sanne waɗi kero hinan makko ngam to noddumi o fuu nde maƴala mo gattumi o fuu o naata nan kan nde nayi bonninoyde mi noddi o to woni fuu na o yaw o ƴewna kam bononɗo harka durooɓe ɗum kanko no projet wari wallahi ko durooɓe noon kanko ni darto faafa fa ɗum wara do buuli no gara lokotoroɓe an kayni he wallahi moɗon waɗa kerohinam alhamdulillahi allah yettama ruggamani woni dewli no wodi dekiraɓe tato e ɓiɓɓe sappo ruggamani woni hande ngam batte allah e golle ñeŋuɗe ɗe watta nder filla ruggal ngaku omo laati ruggaajo ñemminteɗo Voilà, c'était le portrait du jour réalisé par Omar Hamma. Chers auditeurs, un dernier tour en musique avec Fatih Niger, en featuring avec Sidik Saleh. Il nous chante quel titre Mekishina. zuciya ta hake na saka kin sanu ce da ni kin ambare ni na bano shi ne kadai zai sanya ai mini duran kuno ki ji ni ne zama da ke daram dam dam na riƙe ki da kam kam kam maƙiyan su je can ban da san ki ban san komai ni ma sai ta kai baya kai ka sarrafa mini a zuciyata ta ba 方 c'était Fatih Niger en featuring avec Asidik Saleh et c'est le titre Kouya Kodadi. Salamatou, faisons place à présent à la rubrique Lotti des femmes du studio Kalango. Voilà, la rubrique Lotti euh, Loti des femmes du studio Kalangu met l'accent aujourd'hui sur l'utilisation du henné traditionnel. Les a toujours fait partie de la routine de beauté des femmes nigériennes, qu'ils soient utilisé pour la coloration des cheveux ou des pieds. Cependant, les tatouages que nous appelons tchadiens prennent de l'ampleur au détriment d'hygiène traditionnel. Quelles sont les vertus d'hygiène traditionnel Écoutons Rekarimi et Semira Rouafi. hey gama da kwalliya da tsafta ka salma dan allah duba hannuwana yadda na yi kyau na sha lalle ke munira miki kike faɗi wai hannuwanki gani ha sabda ke masha allah kuma zanen sun kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti goma sha biyar aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf tsaf tsaf da ke an miki lallen ki. Hmm, Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. haba ko wani irin abubuwa salma banda bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan mm -mm, ni da lallan gargajiya har abada bani ni iyawa a banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu yan kasar niger. ke tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai bani labari in ji abubuwan da a ciki akwai abubuwa da yawa fannin gyaran jiki lallen al'ada yana gyara farcuna ma in farcunan ki ba su da karfi kuma sun suna da munin gani kar ki da hankalinki ki dama lallanki da vinegar dan kaɗan ki bar shi minti biyar sannan ki sa wa kafafuwanki da hannuwanki kar ki manta farcinanki kuma hallau kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yaƙar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da cututtukan zafin ƙafa. Kawai kina faɗin haka ne dan ke gan yatsuna sun ɗan kakkarye ko? <laughs> A'a saya munira ban ƙare ba in gashin kanki ya zama mara nauyi kuma bai yi kama da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki hada shi in hada me ki hada garin lallan ki da dan ruwa kadan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti ashirin sai ki wanke zaki ga kalar ta sake zai kuma dau watanni bai sake ba lallan ne kike wadin yake yin duk wannan abubuwa to abin mamaki ma bai kare ba to ga kunnuwa na ina saurari hmm. a cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke ya Allah za ki haskaka. A me? Kwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su Dakata muni dakata dakata bai kare ba. To shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Kwarai kuwa muni tsaya ma ki ji lalle yana da da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Kwarai kuwa. Inda gai ka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa. Kawai yanzu ɗoka ta kike wata makshiya hankali haba dai. Ko kaɗan yar uwa. Garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa, kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai shaƙi kamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi. Ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba. mine ne. idanu da kike zago mini fa. Haba, bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallan gargajiya. a na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki, saburo ma ba ya zau inda kike ba. A'a, yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle. Ban da haka kuma ba shi da matsa da. Kin san mi Salma, ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kuɗaɗen da na kashe wurin zuwa wannan ƙumshin cadiyan in. Ni na kai ki. kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu? Ba damuwa. Amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki za ki bani ninkin biyu abin da zan baki. Ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kila mota hala. Eh mana. To kaji sha yanzu magani yanzu kenan. A ai babu bata lokaci cikin wa'annan yanayi. To a <laughs> na gode kwarai salma ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan gargajiya Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Mama Ada pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot aimé en langue Hausa. Mama Ada, bonjour. Mama salamatu. Mama Ada, ba bayani bisa wanga aimé. Eh to, eh, wannan aimé da harshen wato idan ka aimé kamar za ko soyayya yanzu ina ɗauki misali ga idan abinci ne za kai ce kana son abinci kana son ka shahura, hura kana so ka je yawo yanzu in soyayya ce kuma duk dai kalma guda ce saurayi ya ce yana son budurwarsa kenan ƙauna ce yana iya cewa so yana iya cewa yana ƙauna wannan duk bayani ne wanda yake zuwa daidai da wannan kalma ta eme kamar da ke ce da faransanci yanzu kamar misali samari da mata eh, sauri ya zo wajen budurashi ya ce mata yana son ta kin gas kalmar tana sha bamban da in ya zo ya ce wajen mai to ce ina son a saida mana abinci wannan ko ina son in ci shinkafa wannan ya eh, da bamban ne amma in ya zo ya ce wance ina son ki kawai da ke ku samari da mata suke haka ne ko ba haka ba ne kenan ina ganin wannan kalma tana da muhimmanci ga zaman rayuwa ta dan adam ga zaman rayuwa saurayi da budurwa ga zaman rayuwa ta miji da mata ga zaman rayuwa ta ma'aifi da ɗiyansa da kalma ce mai muhimmanci ban taba ganin kalma mai daraja ba ka wadda take wannan ta kauna ta so ta soyayya kenan yana ganin abu ne mai kyau wanda nake ganin ya kamata mu girmama shi a cikin wannan ƙasa mu musamman tsakanin samari da 'yan mata tunda kana cewa ba ka son abu mm-hmm. kin ganin akwai saɓani ba na son abu ba na son in ci wannan abu duka abubuwa ne wanda suke bambantawa mm-hmm. kenan yana ganin wannan kalma ta so kalma ce wadda ta kamata mu rike ta da kyau saboda soyayya kawai tsakanin kalangu da ma'aikata akwai soyayya Merci beaucoup. Mungode. chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en zarma, en français, en foufouli, en en anglais, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au numéro 82 89 89 64. Salamoutou, écoutons les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Je m'appelle Issa Amadou, je suis un couturier, en même temps maître euh, cuisinier. J'adhère à cette radio. Je le suis en ma langue et en plus euh, le français aussi. Et j'apprécie leur euh, émission quand même. Souvent, ils invitent des gens pour euh, parler sur la vie quotidienne. Plusieurs informations, je les trouve euh, au niveau des langues. Vous avez un programme complet, franchement. Je n'ai pas vu là où faire des reproches. J'apprécie beaucoup les, les, émissions. Surtout vers 17h, là, j'ai le temps d'écouter la radio. Et je profite de cette occasion pour saluer mon ami Garba Idi qui se trouve au niveau des LR. Boubacar Soumana, professeur à Niamey, mes cousins et mes frères qui se trouvent à Niamey. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu min wiyte alaji ali amadou min ɗo woni mawɗo eh, ruggaɓe warsoɓe dogari ɓe laameɓe ɓe leydi saayi min yettinto kalangu sanne min lasara fof ay mi ɓoyla radio am mi daka ɗo dow radio kalangu hettinade kibaruji nijeere he leyɗe yaasi fof ko ɓuri welde kam ni woni e wakkati fuu kalangu no wadda filla durooɓe e remooɓe no jooɗori e nder leydi meɗen niger code postoral gere annda ɗum no haali ɗum ɗon wallahi ɗum nangi hakkillo an sanne radio ji fof kalangu mbi'umin no harto no waɗa ɗum ko haani ɓeyda sanne ni woni wurtagol no yiwa ɓiɓɓe leydi ko hitere yi'i no ɓuri ko nowru nani hunde fof ko woni yimɓe radio kalangu fuu miɗo jewta ɗum duggaaɓe hane warsoɓe an tawaɓe nder canton mo saayi canton mo wuro gelaajo canton mo tammu miɗo wallina ɓe jam faami alfayde ta yaade galluñumen fuu ɗo wallina ɓe jaam ay ma fati boubacar ay go toroji igo studio kalango hay kulki go tergo ga hangan igo gir tonton gumu de baydin ki go gadan di woni rediffusion ay din ki go te irwa go gir tonton ago gir way boray bongay feri gumu ago katamu ka kani se mo ku za lokaci to bora tongara diya ganda amma ay kan go gati igo gir wonay da igo futta gay wonay da irgo gi hangan mu zama wadi mu bona go bisa kani se ki go futta gay sigirai dinda kangana futta gay nan kulki go igo du bon ferai irga ba im tonton

Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, ici prend fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mariam Adey et moi-même Salamot Kadri. Le rendez-vous est pris pour demain sur la zone de studio Kalangou. À la technique, nous avons Amina Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.